le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum 18 heures euh, passées de 15 minutes. Euh, messieurs, dames, euh, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour le forum du studio Kalangou dans une présentation Reilet Soumana. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange avec la population et les spécialistes pour apporter des réponses aux préoccupations des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Enfany FM 100. Nous sommes aussi présents dans toutes les capitales régionales ainsi qu'à Arlit, Filengue, Birnengaure, Tirozerine, Magaria, Mainesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Et enfin, vous pouvez nous suivre en direct en streaming sur le site www.studiokalangu.org. La santé et le sport, c'est la thématique dont nous allons débattre ce mardi 4 juillet 2017. Sport et santé recouvrent la pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la bonne santé du pratiquant. L'activité physique comprend les mouvements effectués en travaillant, en jouant, en accomplissant les tâches ménagères, en se déplaçant et aussi pendant les moments de loisirs. L'activité physique modérée comporte-t-elle des bienfaits pour la santé De quels bienfaits s'agit-il Peut-on en pratiquer du sport à tout âge quels problèmes de santé peuvent empêcher de pratiquer un sport Ce sont là, entre autres, les questions auxquelles nous allons tenter de répondre durant les prochaines 45 minutes. Avec nous ce soir pour parler de cette importante thématique, honneur d'abord à la femme présente ici, en la présence du docteur Jamila Ferjani, consultante en santé, ancienne présidente de la Fédération nigérienne de basketball. Bonsoir docteur. Bonsoir Arila. Maître Guillaume Lompo, expert en karaté et directeur du complexe olympique santé sport. Bonsoir maître. Bonsoir madame et Morou Hamadou, cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports et ancien directeur de la piscine olympique. Bonsoir Morou. Bonsoir. Bonsoir à tous. La pratique du sport pour le corps humain est comme un médicament, un excellent moyen pour rester loin de certains maux. Elle contribue également chez les personnes vivant avec une maladie chronique non, non transmissible à améliorer l'état de santé et à prévenir l'aggravation et ou la récidive de ces maladies chroniques. Depuis quelques années, les Nigériens s'intéressent de plus en plus à la pratique d'activités physiques et sportives. Ici à Niamey, c'est le stade général Seine qui est le lieu de référence pour les marcheurs, les joggeurs et autres sportifs. Nous nous sommes rendus sur place où nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. J'ai toujours été un sportif. maintenant, avec l'âge, presque la soixantaine, donc euh, je préfère maintenir euh, ma santé. Rien que cette année, j'ai fait deux bilans. Je suis en très bonne santé. Mais quand même, je continue le sport parce que c'est mes habitudes. Ça fait du bien quand tu fais du sport. Ça me permet de dégraisser le corps. Ça me permet d'améliorer le rythme cardiaque parce que c'est bon pour la santé. C'est très difficile de me voir tomber malade. Vraiment, les petites maladies, comme euh, je vois les femmes qui disent qu'elles ont le diabète, qu'elles ont la tension, qu'elles ont un problème cardiaque. Moi, je ne sens pas ça, je n'ai pas ça. Et les histoires de palu, palu, là, non. Donc moi, je suis là, je suis une cure. J'ai la glycémie qui monte. Donc à partir du moment où j'ai commencé ce sport-là, ça a permis quand même de maintenir un peu le taux de glycémie, en tout cas un taux raisonnable. Est-ce que c'est une prescription du médecin ou c'est à votre propre initiative Oui, le médecin m'a dit que qu'il vaut mieux faire le sport que de prendre les comprimés à longueur de journée. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Vous venez là de suivre les témoignages de ces adeptes du sport. Nous allons faire une tour de table. À vous, Monsieur Morou Hamadou. À votre tour, que dites-nous quel sport vous pratiquez. Donc moi, euh, personnellement, euh, je suis euh, entraîneur de natation et je pratique la natation régulièrement, mais je suis euh, enseignant d'éducation physique, donc je pratique tous les sports. Maître Lampo, à vous, quel euh, sport pratiquez-vous Bon, comme vous l'avez dit tantôt, moi je suis expert en karaté, donc j'ai fait le karaté jusqu'au haut niveau. Et après le sport de haut niveau, je me suis mis au, au sport de maintien. Et je pratique régulièrement le sport dans ma salle. Et combien de temps consacrez-vous à ce sport Au moins 1h30, euh, euh, trois fois par semaine, minimum. D'accord. Docteur Ferjani, à vous, quel sport pratiquez-vous et à euh, combien de temps Moi, je pratique surtout la marche, la marche rapide, sur le tapis de marche, bien sûr. Et je pratique aussi la natation. J'ai choisi les sports doux. Et ce qui fait que je les, je les pratique depuis longtemps et et ça me permet de, rester en forme. Mm. D'accord, donc pour continuer, dites-nous quels sont les bienfaits de pratiquer du sport euh, pour le corps humain. Euh, l'activité physique pour le corps humain, euh, ses bienfaits sont, sont innombrables. Même si on commence à les énumérer, on n'aura pas fini jusqu'à demain. il faut savoir que quand on pratique une activité physique modérée, on, diminue toutes les possibilités de, tomber malade. Et on, diminue le taux de mortalité de 30% si on pratique à peu près 3 heures de semaine. Euh, heures de sport par semaine, on diminue le taux de mortalité euh, précoce, euh, ce, qui fait que l'OMS a recommandé à toutes les personnes, à tous les êtres humains de pratiquer au moins trois heures de sport par semaine parce que les bienfaits sont innombrables. Euh, euh, d'abord, ça améliore le bien-être euh, physique, c'est très important, le bien-être physique et toutes les fonctions de l'organisme. Deuxièmement, ça améliore le bien-être psychique, le bien-être émotionnel. Ça, diminue le stress, ça diminue la tension, ça, ça augmente l'estime de soi, ça ça te, ça te donne euh, euh, une, estime de toi-même qui fait que euh, ça t'aide dans tous tes, tes projets de vie. Et tu as un dynamisme qui fait que tu, peux, tu peux aller de l'avant. Tu peux aller de l'avant et en restant, en restant en bonne santé, en repoussant l'âge, en restant jeune malgré les années. D'accord, Maître Lampo, quel sport est conseillé selon l'âge d'une personne bien portante Bon, effectivement, en fonction de l'âge, il est conseillé quand même d'éviter certains sports un peu eh, <laughs> intensifs, très durs. Donc, comme le euh, docteur l'a si bien dit, elle a pratiquement dit tout sur le <laughs> sport. Moi, il ne me reste pas grand-chose à dire. Comme euh, elle l'a si bien dit, c'est bien de faire au minimum trois heures de sport par semaine. Ah, avec des intervalles de récupération au moins d'une journée, quoi. Intercalé, pas trois, trois heures d'emblée. Il faut les faire intercaler. Et je voulais ah, ah, ici apporter une précision. Il y a une étude qui a démontré que ne pas faire du tout de sport, c'est plus dangereux que de fumer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que fumeur est meilleur que quelqu'un qui ne fait pas du tout du sport. C'est-à-dire qu'il court autant de risques que le fumeur ou encore plus de risques qu'un fumeur. Donc c'est un peu pour vous dire. Parce que tant que tu ne fais pas de sport, il y a certaines toxines qui ne peuvent même pas sortir de ton corps. Parce que seule la chair évacue certaines toxines. Comme le docteur l'a bien dit, si on doit citer les bienfaits du sport ici, on n'aura pas fini jusqu'à demain. Donc, en réalité, pour des personnes âgées, la marche. Environ à partir de quel âge Non, âgé, bon, au-delà de, la, de 45 ans, déjà, il faut marcher régulièrement. Mais il y a aussi la natation. Tout ça, c'est des sports vraiment doux. Hein. Le vélo aussi, mais à un rythme supportable. Aujourd'hui, avec la technologie, on a d'autres appareils qui permettent vraiment de, fournir des efforts et vraiment supportables par tous les âges. Donc, il faut éviter de brusquer le cœur parce que, bon, parce que souvent quand on, on a l'habitude de pratiquer le sport quand on est jeune, à un certain âge, les gens pensent qu'ils peuvent encore toujours aller avec le même dynamisme, avec non, ça vraiment c'est pas. Ah, ah, il faut tenir compte de l'âge et surtout aussi tenir compte de la récupération. Il faut tenir compte de la récupération. Quand on a un certain âge, on ne récupère pas comme un jeune de 18 ans ou de 20 ans. Donc quand on fait le sport aujourd'hui, il faut se reposer, récupérer demain, deux jours, et reprendre encore, ainsi de suite. là, c'est bon le sport, euh, vraiment, euh, ça dépend aussi vraiment de, souvent de, de l'amour que vous avez de ce sport-là. Les gens, il y en a qui aiment naturellement un sport qu'ils font régulièrement. Mais il y en a qui vont au sport juste pour la santé. Et en ce moment, vraiment, il faut choisir un sport que vous pouvez faire et que vous allez finir par aimer et continuer à faire régulièrement. Parce que le secret, c'est la régularité. On ne peut pas faire le sport un temps et dire que bon, moi j'ai fait le sport, ça suffit comme ça. Non, il faut faire ça régulièrement. Et pour faire ça régulièrement, il faut aimer. <laughs> Voilà ce que je peux dire. D'accord. Donc, Monsieur Moro Amadou, euh, quelles sont les activités les plus conseillées et donc, euh, avant d'arriver à ce niveau, j'aimerais rappeler que euh, le sport, de par sa définition, a une trilogie. Le sport développe d'abord un aspect physique, l'aspect physique, donc le corps. Deuxièmement, le, sport euh, développe aussi l'intelligence. Ce n'est pas pour rien qu'on permet aux enfants de jouer. On leur donne de jouer, on leur paye de jouer. C'est pour euh, qu'il y ait une influence sur le quotient intellectuel pour que l'enfant puisse développer son intelligence. Troisième chose, le sport développe le comportement. Donc chaque sport a un règlement parce que euh, c'est ça qui fait qu'il y a des interdits dans le sport, il y a ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc et l'enfant qui ou bien en tout cas, la personne qui fait le sport eh, fait le sport dans un cadre de règlement. Et c'est ça les trois aspects qu'on appelle trilogie en sport. L'aspect qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est l'aspect physique. Le sport développe le corps et tous les organes du corps sont développés. Et, aujourd'hui, ces, ces organes développés donnent une capacité à la personne. Donc celui qui doit qui a une capacité moyenne va plus vite ou il va plus, plus loin ou plus, il, est plus rapide ou plus, plus endurant, ainsi de suite. Et, ça développe les organes de sens. Tous les organes de sens eh, vont avoir une capacité, et, eh, en tout cas une grande capacité, une capacité supérieure. Donc, il est permis aujourd'hui à chacun de faire un sport. Aujourd'hui, moi, eh, mon domaine, c'est la natation. Je sais qu'il y a un penseur, un physiologiste, il s'appelle Lorenz. Il a dit que on a mis en place toutes les épreuves sportives, toutes les épreuves euh, physiques, et on a mis la natation de côté. Et la natation occupe 60% des capacités qui, qui, développent le corps. Donc, aujourd'hui, le sport, la natation en tant que telle, a une influence surtout en tout cas sur toutes les personnes, sur les nerfs, sur les os, sur donc les articulations, sur une influence sur le psyché, comme on le dit, et sur le comportement. Celui qui s'est nager, on avait dit même euh, dans euh, la, Grèce antique, il y avait un philosophe, Socrate, pour se débarrasser des gens, il se jette dans l'eau, mais il faut savoir nager. C'est-à-dire qu'il revient, il, récupère. C'est-à-dire qu'aller dans l'eau, c'est se débarrasser du monde, de, de, toutes les questions qu'on lui pose. Il était fatigué, mais aussi quand il va dans l'eau, il se débarrasse de la fatigue. Ça veut dire que la natation est la meilleure des sports C'est la meilleure des sports, ça, c'est toutes les sciences qui l'ont dit, et je n'ai pas vu quelqu'un qui a contesté ça. Et voilà. Donc, euh, mm. l'activité, oui, vous voulez dans le sens de la natation. Je voulais juste ajouter que la natation, c'est un sport complet. Et euh, il augmente, point très important, il augmente la capacité pulmonaire. Et c'est très important pour, pour les asthmatiques, par exemple, pour lesquels tous les autres sports, presque tous les sports, sont contre-indiqués. Et pourtant, la, la, natation, ils peuvent faire de la natation. Et c'est rare, c'est exceptionnel qu'il y ait une contre-indication pour la natation, contrairement aux autres sports où il peut y avoir des contre-indications. Je voulais juste préciser ça. D'accord, donc euh, l'activité physique euh, possède de très nombreuses vertus et constitue un excellent moyen d'éviter certaines maladies chroniques et cela pourrait réduire les frais de santé parfois très élevés dans certains cas. Docteur euh, Ferjani, quelles sont les maladies pour lesquelles le sport est le recommandé euh, quand, on a, quand on est diabétique, quand on est hypertendu, euh, quand, on a, euh, quand on a une hypercholestérolémie, toutes ces maladies chroniques qui sont assez graves et qui demandent un traitement en permanence tout le reste de la vie. et dont l'évolution peut être émaillée de, de complications assez, assez importantes pour toutes ces maladies-là quand on pratique un sport régulier, soit on arrive à les vaincre complètement, soit on arrive à les maîtriser. Et contrairement au traitement, qui est d'abord extrêmement coûteux, qui est qui, pour toutes ces maladies, le traitement est coûteux parce que d'abord c'est sur du long terme, c'est des molécules assez chères et en plus de ça, euh, on n'est pas à l'abri des complications. Et, euh, et, le sport, lui, euh, te permet de, juguler tout ça. Et si on fait du sport plus tôt, on arrive même à prévenir l'apparition de ces maladies chroniques avec l'âge, parce que très souvent, ces maladies sont liées à l'âge, au vieillissement de l'organisme. Mais quand on commence à pratiquer jeune et que de plus en plus on va vers un âge où ces maladies apparaissent, avec la pratique du sport, on n'a pas ces maladies-là. Donc, le coût est égal zéro, c'est juste aller marcher, aller courir. Euh, et, le sport, pour ça, ça n'a pas de prix. Ça prévient même certains cancers, ça prévient certaines dégénérescences euh, neuro, ne, euh, comme la maladie d'Alzheimer. ça, ça prévient tout ce qui est maladie de stress, d'angoisse, etc. Et pour les cancers, c'est surtout le cancer du sein, du poumon, le cancer colorectal, qui sont des cancers assez invasif et puis assez grave, assez fréquent. Et toutes ces maladies-là, le sport peut les combattre et peut les prévenir. D'accord. Maître Lompo, existe-t-il des inconvénients à pratiquer du sport euh, intensément Des inconvénients euh, intensément <laughs> Ça, c'est des termes <laughs> un peu trop forts. Bon, certes, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, contrôler la pratique du sport. Mais le sport en tant que tel, n'a pas de contre-indication. Peut-être vous pouvez être, comme le docteur l'a dit, exempté ou bien contre-indiqué pour pratiquer un type de sport, mais tu peux trouver toujours un autre type de sport qui puisse te convenir, dans lequel tu pourras t'épanouir. Maintenant, effectivement, l'excès de tout est nuisible. Il y a un terme même qui définit les gens accros au sport, qui, eux, en fait, ça devient une obsession. À tout moment, ils font le sport. Ils, pensent au sport, ils réfléchissent. Il y a des gens comme ça. Il y a, je ne me rappelle plus de <laughs> l'expression, le terme qu'on utilise pour les qualifier. Ils sont malades, ces gens C'est une maladie, en réalité. C'est une addictologie au sport. Au sport, voilà. Addictologie. voilà. Donc, une addictologie au sport. C'est comme une drogue. C'est comme une drogue, voilà. Pour eux, ça devient comme une drogue. Ils ne mm. peuvent pas ne pas faire de sport. Mais qu'est-ce qui peut les pousser C'est euh, pour leur physionomie Non, c'est très souvent, par exemple, les, les, les coureurs, les marathonniers, les gens qui courent 42 km, ils font des heures en train de courir. Donc, dans leur façon de s'entraîner, le corps entre dans un second état où il, il, réclame ça. Vous comprenez Donc, ça, et, très souvent, c'est chez ces gens-là qu'on constate ce, genre d'obsession de, à la pratique. Donc, il y a, y, a, y a on ne peut pas dire spécifiquement que c'est dû à ceci ou c'est dû à cela, mais ça existe comme une drogue. Quand on dit que c'est comme une drogue, bon, un drogué, pourquoi il se drogue C'est parce que c'est un envie, c'est un besoin qu'il a de faire, de, se droguer. Donc, moi, je ne sais pas ce que ça, fait la drogue. l'expliquer <laughs> scientifiquement. Scientifiquement, allez-y, En fait, quand on pratique du sport à un certain. Euh, quel que soit le degré de sport que vous pratiquez, il y a une libération d'endorphines par le cerveau. C'est une certaine hormone qui est euphorisante, qui a le même effet que si vous prenez. Un, que vous fumez du hashish ou ah, quelque chose comme ça, à un moindre degré. Mais plus vous pratiquez le sport et plus l'organisme va libérer cette endorphine. Et quand vous ne pratiquez pas, vous n'avez pas cette endorphine. Si vous êtes en manque, donc vous savez que c'est le sport qui vous met dans un tel état euphorisant de joie, de, bannissement de stress, etc., bannissement de l'angoisse. Et là, vous allez vous remettre dans le stress. Et plus vous faites du sport, et plus l'endorphine elle est sécrétée. Ce qui, fait, ce qui donne ce, cette, dépendance. dont vous parlez. c'est ça l'explication scientifique, en ah, D'accord. Nous, nous savons que ça existe, mais scientifiquement, comme le docteur vient de l'expliquer, maintenant, ça m'a permis moi de comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours la régularité que ce soit la natation ou quel que soit le sport, vraiment le fait de, de, faire ça de manière bien organisée et régulière, c'est ça qui, qui, qui, prévient, qui prévient vraiment tout ce, ce que nous venons de citer. On ne peut pas dire je veux faire, j'ai fait intensément, ça suffit comme ça, j'en ai fait assez. Ça, <laughs> en sport, ça, n'existe pas. Donc il faut continuer à le faire de manière régulière, vraiment, et ça vous permet de repousser au maximum toutes ces maladies que le docteur vient de citer. D'accord, Monsieur Morou. Donc, euh, avant de poursuivre ce qu'il dit, donc, euh, est-ce que le fait d'interrompre le sport et de revenir à jour, quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur la santé Donc, euh, le, corps a besoin de sport. On avait bien dit que le, sport est nécessaire pour le corps. Donc, quand on abandonne le sport, ça veut dire que il y a beaucoup de risques, des risques de problèmes d'atrophie on peut avoir euh, les nerfs qui vont qui n'auront plus les mêmes habitudes et qui vont réclamer et qui vont euh, peut-être aller vers, évoluer vers une autre maladie. Il y a les muscles qui en ont besoin, qui vont s'atrophier et qui vont créer d'autres maladies qu'on ne peut pas connaître tout de suite. Et il y a les os aussi qui sont habitués à un certain nombre, peut-être à une, progression, à, une évolution qui n'auront pas le même, euh, la même progression qu'ils ont euh, prétendu avoir. Et il y a aussi, en tout cas, le sang donc, il peut avoir une conséquence euh, euh, euh, sur, le sang qui peut-être qui avant avait s'occupé de l'hygiène du corps parce que c'est dans le sang que l'oxygène passe pour nourrir l'ensemble des organes et que si le, sport est arrêté, il peut avoir une obstruction des éléments nutritifs et ça peut avoir des conséquences sur la santé. D'accord. Donc, euh, docteur Ferjani, je me retourne vers vous. Est-ce que à partir d'un certain âge, on peut décider soi-même de faire du sport ou bien il faut l'aval d'un médecin avant euh, généralement, si on n'a pas de problème de santé et que et qu'on veut commencer euh, doucement, selon ses possibilités, ses capacités, et qu'on n'a pas de maladies cardiovasculaires, etc., certaines contre-indications en sport, on peut le faire. On peut y aller, commencer doucement. Et il y a certains sports comme la natation qui ne sont contre-indiqués à aucune aucune maladie. Donc, euh, il y a certains sports que vous pourrez faire. La marche aussi, il n'y a aucune contre-indication pour la marche. On peut commencer par la marche avant d'aller vers le footing qui, eux, qui lui demande quand même plus d'efforts, etc. Mais c'est vrai qu'il est toujours bien de faire un examen médical avant de commencer le sport mais j'espère seulement que les gens ont compris l'importance de sport et que le sport commence dans l'enfance. C'est tellement important à partir de l'enfance et qu'on l'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on fasse du sport tout le temps, tout le temps, tout le temps et pas qu'on se décide un jour à 45 ans ou 50 ans ou 60 ans d'aller commencer le sport. Non, moi je souhaiterais que tout le monde fasse le sport parce que les avantages même chez les enfants c'est énorme. Et après, à l'adolescence, c'est autre chose, même dans le comportement social, dans, je vous dis, les performances de, euh, de soi-même, etc., euh, les performances de la jeunesse, etc. Il y, a, tellement d'avantages que j'espère que tout le monde fasse du sport. Et ceux qui ne peuvent pas faire du sport chez eux, le fassent en salle, coaché par quelqu'un. Ça, c'est très, très bien ceux qui préfèrent marcher peuvent marcher. Et euh, c'est ça le message, moi, que je veux faire passer, parce que ça n'a pas de prix. Euh, pour compléter, docteur, je dirais que l'être humain est l'espèce humaine que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire l'homo sapiens sapiens. Il a, il a pu, si on retourne depuis la préhistoire, des <laughs> siècles en arrière, des, millénaires en arrière, et, et rester, c'est la seule espèce qui a pu résister et survivre sur Terre, parce qu'il y a eu d'autres espèces comme l'homme de Néandertal, d'autres espèces qui ont disparu. Si notre espèce a pu résister, c'est tout simplement parce que sa capacité de faire des réserves, d'accumuler, est très importante. Il parvenait en un temps record à accumuler assez de graisse pour survivre aux périodes dures. Et même quand il y a des moments où la nourriture devient rare, lui, avec la réserve qu'il a faite, il arrive à surpasser cette période jusqu'à ce que la période faste revienne. C'est ça notre espèce. Donc, nous, pour vivre, il était obligé de, Il fait le sport tout le temps. Il doit grimper pour cueillir, courir, pour attraper des animaux, faire, pour, rien que pour manger. Mais l'évolution fait qu'aujourd'hui, on ne fait pas tout ça on est assis et que, bon, on, mange ce qu'on veut, quand on veut. Donc, on accumule. Notre capacité à accumuler, là, c'est inné, c'est nos germes qui sont comme ça. Et donc, il faut forcément faire des activités physiques pour être naturellement comme nous, nous, sommes censés être. D'accord. Voilà. Monsieur Moro vous avez quelque ah, chose à ajouter avant la deuxième partie Voilà, je vais ajouter que ce n'est pas pour rien que euh, dans l'éducation euh, nationale, ah, c'est la deuxième partie de notre forum. Donc, nous allons marquer une petite pause, le <laughs> temps d'y revenir. Le système euh, éducatif euh, dans leur programme scolaire euh, comporte une partie consacrée à l'éducation physique et sportive, communément appelée EPS. Cette discipline fait l'objet d'une évaluation aux examens du BPC e et du baccalauréat. Donc, Monsieur Moro Amadou, mis à part les notes aux examens, quel est le but de l'éducation physique et sportive à l'école et à quel âge est-elle conseillée? Donc l'éducation physique et sportive, c'est le sport pratiqué à l'école et ça fait partie des épreuves euh, qui sont contenues dans le cahier de charge du ministère de l'enseignement secondaire et même du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc, c'est le programme de l'éducation physique est contenu dans ce qu'on appelle des instructions officielles et qui et toutes les épreuves que les Nigériens peuvent pratiquer, qui participent à la culture du Niger, qui participent à l'éducation physique, qui participent à la, culture de l'esprit. Toutes, toutes ces épreuves sont contenues dans l'éducation physique que l'on enseigne à l'école. Il s'agit des courses, des sauts, des lancers, des sports collectifs. Et la natation, on avait dit que la natation, n'est pas retenu puisque nous n'avons pas les cours d'eau nécessaires au Niger, mais que bon, on n'a pas le matériel puisqu'il faut avoir des bassins de piscines et autres réglementaires, mais on a dit éventuellement si on en gagne, la natation sera retenue. Donc, et le but principal, c'est éduquer les élèves dans le sens du sport. Et tous les élèves qui n'ont pas un problème physique doit faire le, sport à l'école et c'est obligatoire. C'est dit une matière obligatoire. Et ça participe de la culture physique, comme je l'ai dit tantôt, à la culture intellectuelle et en passant par la culture du comportement. Donc on apprend aux élèves les disciplines. On leur apprend toutes les disciplines sportives et on leur apprend que, euh, un certain nombre de comportements à travers la pratique de ces disciplines. Donc ça participe nécessairement à leur santé d'abord parce que euh, l'élève qui régulièrement fait EPS, on suppose qu'il tombe, il tombe euh, malade, en tout cas rarement, mieux que celui qui n'en fait pas et qui est assis tout le temps. Donc, et mouvoir le corps, c'est aussi à l'école que, euh, c'est bon, puisqu'il y a des enseignants bien formés et qui euh, indiquent les, euh, dit, le comportement à tenir pendant les heures de PS. Donc, docteur, quel âge est, à partir de quel âge est-il conseillé de faire du sport pour les enfants et surtout quel avantage pour la, la croissance des petits pour les enfants, à partir de l'âge où ils peuvent euh, commencer euh, à être, scolarisés, ils peuvent commencer à faire un sport. Ils peuvent euh, bouger, il faut qu'ils bougent, il faut que c'est pas du sport qu'on va leur demander, des sports de compétition, mais ils doivent bouger, avoir une activité, ce qu'on appelle avoir une activité physique. Donc c'est très bien dès, dès, le plus jeune âge, et, parce que n'oubliez pas que les enfants quand ils rentrent à la maison, euh, soit ils sont assis devant la télé, euh, soit ils bougent trop et ils sont, euh, ils sont perturbés. Alors que le sport à l'école canalise cet, cet excès de, dynamisme qu'ils ont, d'énergie qu'ils veulent extérioriser. Et en plus de ça, ça leur, apprend tout un comportement, comme disait Moreau. Ça leur apprend des règles de la société, ça leur apprend le respect de l'autre, ça leur apprend le respect de soi-même ça, apprend l'honneur, ça apprend la loyauté. Il y a tellement de valeurs, euh, de valeurs qui sont apprises par le sport que plus on inculque ça jeune à l'enfant et plus ça ne peut que développer euh, son, évolution, que ça, ne peut aller que dans le bon sens. Donc euh, moi je pense qu'il n'y a pas de contre-indication pour concernant les âges quoi. Et les enfants doivent bouger, ils doivent bouger. Donc, euh, est-ce qu'un enfant qui fait du sport euh, grandit plus vite que celui qui n'en fait pas Non, justement, ça, par contre, c'est des fausses idées. Euh, c'est vrai qu'un enfant qui fait du sport, si un enfant fait, trop du sport, fait trop de sport, généralement, il y a même un problème sur les croissances, sur les cartilages de croissance. Il peut y avoir une, il peut y avoir un problème au niveau des cartilages de croissance qui vont être surmenés et l'enfant va arrêter de grandir faire avoir un excès de sport pour les enfants, c'est pas bon par contre. Et puis il y a plein d'idées comme ça erronées sur le sport. L'enfant qui fait du basket va grandir. Non, c'est pas vrai aussi. L'enfant qui, <laughs> fait du basket va pas grandir. C'est les grands enfants qui choisissent le basket parce que c'est pour eux, c'est plus facile, ils sont, ils sont meilleurs. Donc euh, je pense que le, le, sport, euh, l'excès du sport euh, peut être un problème, mais euh, le sport qui est bien fait, il, harmonise le corps, il, tend à, avoir, on, euh, a, tendance à avoir des corps harmonieux, et un fonctionnement de l'organisme qui est au top dès le, dès jeune âge. je, je, dis toutes les fonctions de l'organisme sont améliorées, la circulation sanguine est améliorée, ce qui fait que la circulation du cerveau, elle est améliorée. Donc l'enfant, il, est plus intelligent, ce dont vous parliez tout à l'heure. Et tout ça, ça aide l'enfant à avoir un développement harmonieux, autant musculaire euh, qu'intellectuel. voilà. Donc, euh, Maître Lampo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça Je veux compléter, docteur, parce qu'effectivement, chez l'enfant, il faut être très attentif, docteur l'a bien dit, il y a, l'intensité, il faut savoir jouer sur l'intensité. Il faut pas faire faire, on peut pas faire faire du sport à un enfant comme à un adulte. Ça c'est un. Et de deux, il faut que le sport prenne l'aspect de jeu. C'est en tout cas nous en art martial, en karaté précisément, on, on arrête la séance toutes les 25-30 minutes pour introduire un jeu. Bon, pour une séance de 1h30 de karaté, l'enfant va s'amuser à peu près 15 à 20 minutes. Un jeu, un jeu simple, mais et on profite à travers dans la pratique à mettre des, des petites séquences qui le distraient. Ça, c'est très important. Maintenant, comme le docteur l'a dit, nous, nous l'avons même remarqué. Ce n'est pas que les enfants qui subissent des pressions pression sportive importante, karma ne grandit pas. Moi, j'ai des élèves qui ont été bloqués comme ça parce qu'en ce moment, nous n'avons pas cette connaissance. Nous ne savons pas qu'effectivement, parce que tout simplement, dans la salle de karaté, les, gens sont alignés, les plus petits devant, les, les, plus grands derrière, et on fait la même chose à tout le monde. On fait les mêmes exercices. Donc, si on fait des exercices musculaires, Normalement, l'exercice musculaire, c'est au moins à partir de 15 ans. Des efforts intensifs, des efforts qui peuvent faire appel au développement musculaire, ça ne doit pas intervenir avant l'âge de 15 ans. Parce que, comme le docteur l'a dit, effectivement, quand on fait des exercices musculaires à un enfant qui est en pleine croissance, ça bloque sa croissance. Scientifiquement, je ne peux pas dire, mais maintenant, le docteur vient de nous expliquer scientifiquement ce qui se passe. Mais nous, nous savons que effectivement, ça ralentit la croissance de l'enfant quand on lui fait subir une intensité assez importante. Je vais vous donner un exemple. Regardez les filles ou les, filles, surtout chez les filles, qui font la gymnastique. Si vous regardez les Jeux Olympiques, celles qui font, elles grandissent pas. Elles sont toutes petites. Vous les, voyez comme des, fillettes de 13, 14, 15 ans. Alors que c'est des, des, femmes de 21 ans, de 23, 24, ça mm. jusqu'à la trentaine. Et j'ai vu aussi, effectivement, eh, une étude qui a mis dos à dos deux des jumelles. Des vraies jumelles, hein mais il y, a, mais il y a une qui s'est adonnée à la gymnastique, à la gymnastique dès son bas, âge. Et l'autre, des vraies jumelles, mais l'autre, elle, elle, ne voulait pas. Mais elles se sont collées dos à dos comme ça, mais l'autre dépasse au moins d'une bonne cinquantaine de centimètres sa sœur. Et la sœur est restée comme une fillette de 12 ou 13 ans, alors que l'autre est une grande femme avec euh, tout le corps bien développé, une femme complète. Vous aurez même l'impression que c'est sa fille. Alors que c'est sa sœur jumelle. Merci, Donc, <laughs> c'est l'intensité de sport ça détruit, chez les enfants. Ça détruit les cartilages de croissance. Donc, mm. euh, Monsieur Morou Amadou, vous qui êtes du ministère de la Jeunesse et des Sports, euh, que fait concrètement le ministère pour promouvoir la pratique d'une activité physique ou sportive pour la population en fait, le ministère a d'abord mis en place un certain nombre de règlements et, le ministère a créé des services dont, par exemple, il a délégué des pouvoirs, une délégation de pouvoir aux fédérations, aux associations sportives donc, qui se sont créées librement et qui se sont adonnées à la pratique du sport. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de fédérations qui œuvrent pour les jeunes et pour les juniors, seniors et tout, et participent aux compétitions. Il y a aussi euh, la médecine du sport. Le, ministère a un service de médecine du sport. Le ministère, euh, en collaboration aujourd'hui avec le ministère de l'enseignement secondaire aussi, ils, ont, euh, ils enseignent l'éducation physique en milieu scolaire. Aujourd'hui, cette année surtout, un directeur de l'éducation physique et sportive en milieu scolaire a été nommé au ministère de la Jeunesse et des Sports et ce service va se, charger de l'éducation physique parce que aujourd'hui le sport qu'on le dise en tout cas c'est à l'EPS seulement que, le sport est, pratiqué dans une grande mesure parce que c'est avec l'EPS seulement que l'on fait le sport dans toutes les régions et qui concerne la jeunesse. Et c'est vrai, les associations sportives n'ont pas une grande dimension d'activités, de, mais quand même, euh, ils font tout et le ministère les accompagne euh, selon ses, moyens. D'accord. Euh. Docteur, selon vous, que faudrait-il faire pour que les populations soient plus informées sur les avantages à pratiquer du sport Il faut faire, il faut mener des campagnes de sensibilisation, il faut communiquer, communiquer par les différents médias, il faut faire rajouter des cours euh, de sensibilisation dans les écoles, euh, que ce soit le, primaire, le secondaire, que ce soit les écoles professionnelles et tout, il doit y avoir des matières où on doit souligner l'importance du sport. Euh, je voudrais seulement revenir sur les programmes des ministères. si vous m'accordez deux minutes, moi j'ai côtoyé les ministères du, du sport, le ministère des sports et les fédérations. Je les ai côtoyées de 2005 à 2010 pendant cinq ans. Et euh, j'ai été désolée. J'ai été désolée. Pourquoi Parce que j'ai l'impression que le ministère des Sports, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, ça, ça a changé, mais à l'époque en tout cas, j'ai l'impression que le ministère des Sports n'a jamais compris l'importance du sport sur une population. J'ai l'impression que le ministère des Sports n'a pas saisi la valeur du sport euh, et, ses, avantages sur une jeunesse en, étant le ministère de la jeunesse, l'évolution d'une jeunesse, l'avenir d'une jeunesse. Ils n'ont pas saisi ça. Ou bien, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de fonds qui sont mis à leur disposition. Les fonds qu'on met à la disposition euh, de la promotion du sport, c'est insignifiant. Pour les fédérations, c'est insignifiant les fédérations, elles sont laissées à elles-mêmes. Il n'y a aucune fédération qui peut vous dire qu'elle peut faire un programme, euh, un programme digne de son nom pour promouvoir son sport euh, ici au Niger. C'est impossible. Ils n'ont pas de fonds. C'est la débrouillardise, c'est le système D. Ils sont tout le temps en train de se, de se chercher et ça ne marche pas. Un sport ne peut pas évoluer comme ça. Une nation ne peut pas évoluer sans sport. Il nous faut euh, dynamisme, il nous faut une vraie promotion de tous les sports pour avoir des, des alphagas, par exemple, dans tous les domaines. Mais il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien qui est fait. C'est impossible que, euh, quand on me dit oui, le MENA est parti à la Cannes 2012, le MENA va s'arrêter au premier match. C'est impossible parce qu'on n'a aucune vision, on ne met pas les fonds, on ne met rien du tout. Et avec ça, c'est impossible. La santé euh, le, sport est tellement important pour la santé de la population, c'est tellement important pour l'évolution d'une population, c'est tellement important pour l'essor d'une jeunesse que ça ne peut pas être laissé comme ça depuis des années, depuis des dizaines d'années, du copier-coller, c'est impossible. Il faut que ça change, il faut que les gens comprennent l'intérêt de tout ça. Donc, euh, pour finir avec vous, Maître Lampo, avez-vous des conseils pratiques euh, avant d'aller au sport Quels euh, quel, vêtements porter À quelle heure faire du sport Brièvement. Oui, bon, le sport, il faut le faire vraiment à des périodes où la température est supportable, c'est-à-dire tôt le matin ou le soir. Parce que nous sommes dans un pays tempéré où il fait très chaud. Déjà pour euh, maintenir la température corporelle à la normale, on dépense de l'énergie même sans faire le sport. Donc il faut vraiment choisir le temps. Et je voulais compléter, madame, tout à l'heure en disant que notre centre, le complexe olympique santé sport, nous avons soumis un programme de prévention des maladies chroniques non transmissibles au ministre de la Santé. Et dans ce programme, nous envisageons effectivement amener vraiment donner l'exemple, amener tout le monde à faire du sport. On a soumis un dossier euh, à l'Assemblée nationale aux, aux députés nationaux pour les amener à faire. Et on a proposé au ministre de la Santé d'inscrire les membres du gouvernement aussi à la pratique des sports pour que tire la grande masse de la population à faire du sport. C'est important pour une population, comme le docteur l'a dit. La population doit se mettre au sport ça permet vraiment de prévenir beaucoup de maladies. Merci, Merci maître. Oh, il est 30 secondes, vous avez. Donc, euh, je voulais juste rectifier quelque chose. Le ministère de la Jeunesse des Sports euh, rengorge beaucoup de cadres de haut niveau qui, connaissent vraiment la valeur et la portée du sport. Malheureusement, c'est la politique qui fait que euh, le sport est mal apprécié ou mal pris en charge. En fait, c'est ça. Quand je parle d'incompréhension, c'est de la politique que je parle. C'est pas des cadres. Hein. Voilà. Donc, euh, au ministère, il y a des gens qui <laughs> connaissent bien la valeur du sport, mais euh, j'aimerais ajouter que euh, partout où les cadres du ministère passent, et on les a ah, pour les, les, comment les formations internationales, les Nigériens étaient bien vus. J'étais avec Guillaume Lompo une année en Inde. On, avait, on a été les meilleurs et sur le plan sportif même et on était apprécié par les Indiens et l'ensemble des pays du monde et les Nigérians. Et la formation était même en anglais. les Nigérians nous avaient laissé et ils nous ont appréciés. Merci. Merci <laughs> beaucoup, euh, chers auditeurs. Euh, retenez que la pratique euh, régulière d'une activité physique et sportive peut nous aider à jouir d'une bonne santé physique et mentale. C'est sur ce mot que prend fin le forum de ce mardi. 4 juillet 2017, durant ces 45 minutes, nous étions avec Maître Guillaume Lompo, expert en karaté et directeur du complexe olympique santé sport, Moro Hamadou, cadre du ministère de la Santé et des Sports et ancien directeur de la piscine olympique, et Dr Ferjani Jamila, consultante en médecine, ancienne présidente de la Fédération nigérienne de basketball. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangu. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.